coronavirus boro yon neshin wadorino boro yonga chigani tali dori daino boro ikansi baine ga kwara dori daino bai coronavirus Dorosi Dumifayanka Borokulumini Tuaga. le message est très clair. Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs. On va faire un petit retour en arrière, l'attentif, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le virus circule. Alors, au plus fort de l'épidémie, quelles étaient les actions que vous aviez menées et votre contribution à la lutte quand le virus frappait fort Oui, euh, Dondi, on a vraiment apporté notre. Euh, euh, en tout cas, notre part. Mhm de, sensibilisation parce que c'est ça en fait euh, euh, la mission qu'on s'est donnée en tant qu'artiste, c'est d'éveiller les consciences, c'est de sensibiliser, de sensibiliser pardon, la population. Mhm. Donc euh, pendant la Covid-19, on ne s'est pas seulement confiné, dans, la dans le confinement, pardon, on a aussi composé cette chanson que je viens de s'entonner tout à l'heure. Et après, il y a la Croix-Rouge internationale aussi qui nous a commandé une chanson à, Dakar et on a fait euh, euh, un concert euh, virtuel avec beaucoup d'artistes africains en tout cas. Uh-huh. on a composé une chanson, moi et Yakouba Denke et ces chansons ont passé virtuellement sur les médias, sur, sur les réseaux sociaux. Mon message, c'est que euh, qu'on soit jeune ou âgé, mhm. on peut mourir. Mhm. Donc, euh, les personnes âgées, encore nous, on a vécu. Mhm. Et si on meurt, c'est peut-être une bibliothèque qui va partir, mais quand même, on aura vécu notre temps. La jeunesse, ils ont encore de l'avenir. Donc, ce que moi, je, je, je les conseille, c'est de prendre soin d'eux-mêmes et de se protéger euh, pour pouvoir vraiment vivre aussi longtemps. C'est notre souhait. jimi sahel no weli kam jaadi dayi jaadi ummadi lendaro en Fijo sahel bami sahel no weli kam jaadi en